Thank you. micro fan. jarul micro nañ bàyyi ba dem jarul micro. ñu bàyyi ba dem mën na ko dem ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen teewaay di sant gërëm bu baax a baax képp ku nekk ci cérémonie de lancement du projet bi nga xam ne moom la ñuy wax réflexion maanaam lépp parce que loolu mooy waral bis bi tey d'abord Je remercier encore une fois le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias pour le programme bi nga xam cérémonie de lancement de fii lañ koy cérémonie de lancement de réfection du nouveau programme pour xamante ne ci 19 communes de dollars. jëm waaye programme qui dañu ko lancé en Bel-Air a que des dégâts, comme ñax en Bel-Air particulièrement

li tax ñu ne euh, tey dañu lancé programme gis ngeen ne que entreprise bi xëy tey ba commencé liggéey maanaam réparation lii dëkk bu ñu nee lii dëkk mooy tali bari na ci ay nattkat maanaam pax nga gis mu am pax ñu def bi partenariat ku ci nekk am benn enveloppe bu mu dugal ñoom ñaar ñu ne dañ ci ànd liggéey loolu léegi programme mooy lépp luy problème majeur ci nii de boobu li nga xam ne mooy problème mu maris beneen programme gën a ambitieux ñëw na

nga dem ba école Cour Sainte-Marie da am yoonu mbedd suuf boobu yëpp dañ koy tabax boo demee ci am na ilo ilo ilo gannaaw ilo boobu ilo inde defe naa foofu am na fa benn programme boo xamante ne dañu gis ko ci nawet bi dafa daan xar jardin loolu intégré na ko donc c'est pour dire encore une fois que le conseil municipal de la ville de Dakar ñi ngi bàyyi xel pour requête des populations donc, occasion le combat. En tout cas, au nom des populations, au nom du conseil municipal de la les actions de commerce sont là. Remercier, encourager toutes les associations qui sont là. ñi fi ñëw tey ñi ngeen ni ñi ciy seen le quartier Nous xam nous li mais le maire Barthélémy Dias aussi Comme vous fi nous ñu wax que lay doléance ndax la nga xam prioritaire fii une ci jiitu mooy li nga donc l'homme qui ngi ci accompagné je voudrais transmettre nos remerciements au maire de la ville de Dakar mais vraiment à tous les élus de Dakar parce que ñi fi c'est des des adjoints au maire mais des élus qui viennent d'ailleurs gis nañ Mme madame Binane jógee c'est mi ngi ne leen jugee HLM gis nañ ñu Grand yo ak yeneen ak c'est pour vous dire que tay c'est un programme du département de Dakar mom moy démarrer au niveau de Maristes et objectif moy li am surtout moy li mbébétu population li lii préoccupation le conseil municipal de la ville de Dakar jël en charge mu matérialiser ko de telle sorte que dafay améliorer en tout cas dindi souffrance ñi nga xam ne dañuy jël tali mais surtout insécurité donc lolu ci gàttal moy li nga xam mom lañ ko organisé nak fi ci Mariste 2 ki nga délégué de quartier Aliou Diakhaté mom mën na né associatif la mun c'est un acteur euh, engagé développé and ak bureau fi nañu accueillir cette cérémonie donc délégué de quartier nous ngi lay remercier bu baax baax d'avoir bien accueilli euh, cette cérémonie mais remercier encore une fois les imams les collègues délégués de quartier bureau dañ leen remercier mais les associations de manière générale parce que de femmes leur xamante ne caractérisé en tout cas seeni ñaan loolu moo caractérisé vraiment les préoccupations. la relation que nous avons que nous transmettre à la ville ce sont pas nos doléances moi Babacar ce sont les doléances des populations population yi mais eggee ko ville de Dakar ville de Dakar intégrées ko dans son programme te ñu mën ko tey réaliser li nga xam ne moom bi la on a fait di def liggéey nga xam ne que du toog di xaar naan est donc loolu daal mooy moom lañ bëgg introduire en di remercier dañuy dem def visite mais kii di délégué de quartier danañ ko jox mu sànni ci tuuti kàddu imam nga ñaanal ñu ah bu ko defee ñu ko bàyyi mën a jël loolu après loolu ñu ngi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi gërëm ñëpp gërëm d'abord maire di ko wax dalal jàmm euh, ci sa kër fii ci Hann Maristes Euh, di wax waa ville de Dakar aussi ñu dalal leen. borom téléphone bi nekkul mu génne téléphone am wala mu ñëw comme ñun. ci parce que nga xam ne nii moom suñu préoccupation. bind suñu lettre d'orientation budgétaire pour mois de bi yoon au moins lii xëy na dinañ ci wax ni mi évoluer parce comme ni ko maire waxee ci population yi lay jógee chaque année. entre le mois d'août et le mois de septembre conseil de quartier bi dañuy def ci nekk woo sa waa koñ ne ko lan moo si yitte loo xamee ni ñu dañ koy dund ñun ñëpp parmi loolu mu am ci ñetti point mooy la moom la monsieur le maire wax léegi mooy que nii de poule dañu bëri nii d'oiseaux yi mooy kàmb yi nekk ci tali te yooyu nag su ko fi nawet fekkee ba bàyyi waat ko fa lay jógee daal di ya nekk daal di yaatu nekk géej mooy bi nekk fii ci angle bi ngeen gis bu ndaw la woon ba caag mu nekk ñett bu caag mu nekk benn kii bu rëy yooyu nag première phase bi yooyu la ñuy réparé su nekkee deuxième phase am na ay projet de construction yu bees yooyu yëpp nag chaque année dañ ko daan def ci suñu lettre d'orientation yónnee ko maire moom mu dajale ko synthétiser ko xool quartier bu nekk la lay laaj bu doo ko yóbbu dak fële loolu moo jur peut-être lay tey nii nga xamee ni première phase bi moom la ñuy démarrer yàlla def ñu indi ko fii waxuma na ci suñu quartier mais ci biir Maristes ñun ak accueillir ci 19 communes yi ñu tànn ci commune de Hann Bel-Air ci Hann doole commune de Hann bel am ay agglomération yu bari ñu ñëw indi ko ci agglomération Hann Maristes donc loolu ñu kontaan ci trop ñu ñaan yàlla. yàlla na yàlla yombal yëpp ba mu egg te mate comme niñ ko bëggee dañuy wax suñu imaam mu defal ñu ñaan ci loolu après ñu doog a mën a dem jëm si

Marine. Je pense qu'il est important que la Je pense que le travail qui va être fait, c'est que les plus de les associations sont très engagées, ont l'habitude de remblayer pour rendre la voie de carrossage. Le travail technique, parce que être matière d'infidèle, c'est une autre matière. Couper, en tout cas, avec le Donc j'ai compris que dans un premier temps, des nuits, gainer les produits corps étrangers. Ensuite, def, bouchage, après, je sais qu'il y a tout le travail technique jusqu'à une matière vous allez mettre dessus avec le Et ça, c'est cet exercice qui sera fait C'est vrai que là, tout est en miniature, mais donner vers le croisement complet on va se retrouver avec un groupe, ça va être retrouvé. Après le grand vous allez voir la voie

la de cet accident. Parce que comme on dit, hein, c'est un point bas. Il faudra peut-être réfléchir sur le système gravitaire qui nous permettra au besoin de drainer les eaux au niveau des, des qui sont là, ou bien même pourquoi pas au niveau du réseau des eaux qui vient de l'âme. c'est c'est que ce point bas-là, Alors, il faut également préciser une chose, que dans certaines parties de la ville, les problèmes sont posés par le Donc, l'ONAS fait des efforts, nous avons une très bonne collaboration. Mais je pense que c'est euh, le mondial de l'intégrer à la vie sur les investissements. Que parfois, au bout de deux mois, tout ce que vous avez vu en investissement global. Là, par exemple, si parle de vous calculez, c'est pas la vie de la Parce que nous avons fait la décision deux mois de de Anne euh, élu au conseil municipal de la ville de Dakar. Je voudrais tout d'abord, au nom de, toutes les populations de Anne, mais au nom de toute la ville de Dakar, y compris mes collègues maires, des 19 communes de Dakar. remercier le conseil municipal de la ville de Dakar, remercier le maire Patrick d'avoir bien voulu prendre euh, cette préoccupation, qui est une préoccupation des populations. Nous avons une tradition ici dans la commune d'Anne et je suis sûr que c'est le cas dans les 18 autres communes, qu'à la veille du, processus donc, de préparation de budget, d'interpeller tous les conseils de quartier. Et ce qui est souvent revenu dans les sollicitations des différents quartiers, c'est la voie des défectueuse et bien sûr la construction du nouvelles Vous n'ignorez pas que les Maristes est un quartier donc euh, en pleine expansion, où vous avez des chantiers aussi, en tout cas des constructions en tout cas en permanence. Et je profite de cet événement pour encourager et féliciter tous les présidents de conseil de quartier, tous les délégués de quartier, particulièrement Ali qui est le délégué de quartier qui a bien voulu recevoir cette cérémonie, mais il nous reçoit au nom euh, du bureau des le président s'est fait excuser, le secrétaire général comme le président. C'est pour vous dire aujourd'hui l'importance de ce projet. C'est une préoccupation qui remonte en fait à tous. Nous avons eu effectivement souvent de bonnes volontés, des associations qui ont eu à intervenir effectivement dans le bouchage des lits de Et souvent c'est du sable qu'on met et des pierres pour en tout cas éviter euh, effectivement qu'il y ait, parce qu'on a vu de nombreux accidents se produisent, donc c'est pour vous dire que déjà pour une question de sécurité. Mais également nous avons vu beaucoup de véhicules effectivement se retrouver en face fait de ce problème. Donc M. Euh, Monsieur Paté, adjoint au maire de la ville de Dakar, en charge de ce secteur très très très important, nous voulons vous remercier, encourager, mais féliciter les associations de la ville de Dakar. Parce que nous savons effectivement qu'il y a un engagement citoyen assez prononcé, ce qui caractérise d'ailleurs le, militantisme associatif. Et aujourd'hui, vous, avez vu que c'est Dakar qui s'est mobilisé ici au Mariste, pas seulement des euh, associations de mais vous avez vu différents élus, différents maires qui viennent d'autres communes pour participer à cette demande. Le conseil municipal de la ville de Garde a bien voulu accéder à cette demande parce que cela faisait partie d'une de, nos préoccupations. le maire Barthélémy Diaz, dans ses présences dans cette commune, avait pris l'engagement effectivement de procéder à la réhabilitation de ces voiries. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet euh, de réhabilitation, de bouchage de l'île Mais en réalité, il y a un programme beaucoup plus ambitieux qui va démarrer ici à Anne dans deux semaines, deux ou trois semaines. C'est pour vous dire que c'est des nouvelles public qui sont construites. Ceux qui habitent cette commune savent que la sortie de Cambérène, quand on connaît de Djamil Caro jusqu'à Cambérène, est une voirie qui doit être faite. Ceux qui connaissent la commune savent que quand vous prenez la pharmacie Touba jusqu'à l'école des Maris, c'est une grande voirie qui est très empruntée, mais qui n'est pas du tout faite. Cette route sera construite dans deux semaines. Et d'autres axes qui sont prévus, aujourd'hui, je ne vais peut-être pas vous livrer les détails, mais c'est pour vous dire que la ville de Dakar a voulu prendre en charge les préoccupations de la population. aux associations, c'est d'abord les féliciter pour leur engagement. C'est grâce à ces populations aujourd'hui que nous avons pu avoir un argument, avoir des documents à travers les différentes requêtes pour convaincre le conseil municipal de la ville de Dakar, le bureau municipal de la ville de Dakar, mais le maire Barthélémy Diaz qui a été très sensible et très attentif aux préoccupations de la commune, qu'effectivement il fallait investir dans la voie. Cette cérémonie de lancement, aujourd'hui, c'est 19 communes, Parc-les-Médias, nous connaissons son, son, engagement pour la ville de Dakar et c'est pour ça qu'il a tenu aujourd'hui à ce que cette cérémonie soit lancée ici, dans la commune. Ils, ils envoient des gravats dans les trous. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de, de, vous avez bien pu voir pendant la visite, effectivement, tout ce qui est corps extérieur qui n'est pas dans les trous, nous allons les extraire, les enlever, mais réhabiliter ces voiles. J'ose espérer qu'au sortir de cet exercice, effectivement, qu'il euh, y aura plus de gravats sur les routes parce que le besoin ne se présentera pas, ça c'est d'une part, mais surtout l'occupation effectivement, euh, euh, la collaboration des coopérations. Et quand je parle de collaboration, je fais un peu allusion aux occupations de la voie Au Sénégal, nous n'avons plus de trottoir. Aujourd'hui, la politique de la ville de Dakar, effectivement, c'est d'assainir, de libérer les trottoirs, permettre aux usagers, effectivement, d'emprunter les trottoirs, comme euh, le prévoit, effectivement, euh, le code de l'urbanisme. Si les trottoirs sont aménagés, c'est bien pour préciser, rappeler que c'est un passage piéton, pas pour mettre des étals et exercer des commerces.